musée bi dafa nek lo par devoir de mémoire et par obligation aussi pour les générations futures dañ ci wara def ñun suñu kéem katan ba nga le ak le jeune sénégalais wala le jeune africain wala yeneen nationalité yi yi nga xamante y ñoo a ci monde bi bu ñu ñëwee fii Sénégal dinañu xam li nga mon mon moom moo fi à partir de histoire boobu noonu suñu gouvernement suñu république jëloon na ay motuwaay wala jël na ay motukaay taxaw tem pour lu mel noonu bu mu fi daal mise en service bi moi voilà, ñun nous y en di fiy pour xool parce que xam nga balaa nga mise en service foog nga xam lan lañ fi def ba pare gis nañ ne que pratiquement travaux dal pare mise en service bi ñun buñ ko ñu ko commémoration bi ci commémoration au mois de septembre ouvrage nous ñu koy mettre en service mu mëna a commencer ay activités. Ben oui, c'est la raison d'être de notre visite aujourd'hui à Ziguinchor. Nous sommes venus avant d'aller vers la 22e commémoration et avant la mise en service même de cet ouvrage-là. Nous sommes venus pour constater de visu euh, l'état d'avancement des travaux parce que la réception technique a été effectuée depuis le mois de juillet. Je l'ai dit tantôt, mais euh, après cette réception technique, il nous convient à nous, autorités publiques, de venir constater de visu réellement ce qui a été réalisé et aussi éventuellement s'il y a des réserves par rapport à l'ouvrage aussi, les émettre. Et nous comptons euh, à partir de la 22e commémoration qui symbolisera l'étape de lancement officiel euh, des activités de euh, cet édifice-là, procéder à la mise en service. Tout à l'heure, en conclave avec l'ensemble des membres du comité scientifique, il y a un modèle de gestion, de gouvernance qui nous a été présenté, mais il y a des réserves et des limites que nous avons relevées par rapport à ce modèle de gestion. Mais de retour au niveau de Dakar et avec l'ensemble des services techniques, mais aussi d'autres secteurs d'activité, nous nous y attelerons et nous essayerons de voir le plus rapidement possible le meilleur modèle de gestion efficace, performant et qui permet surtout aussi la pérennisation de cet édifice public-là. Évidemment aussi, si on parle d'un modèle de gestion efficace, performant, et périn, c'est parce qu'on on se soucie de l'entretien, de la maintenance et tout cela nécessitera quand même de recourir à certains emplois.